jërë ngeen jëf ci ànd beeg ftn media. dal leen ak jàmm ci seen rubrique bu bees bi di éclairage maanaam leeral tey nag ñuy tewoo bataaxal bi njiitu réew mi bind njiital assemblée nationale ngir am xalaatam ci tas googa mu bëgg a tas assemblée gi ngir dimbale leen ngeen xam dëgg lu tax président basiru jomaay fay bind amadou mam diop sekk nañu ci waxtaan wu yaatu ak docteur mbay cissé chercheur spécialiste ci wàllu étude de droit comparé ñu ànd teewlu ko bu leen fàtte aimé vidéo bi partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot bu ngeen abonné gul itam def leen ko ngir dara dootu leen rëcc oui effectivement je euh, euh, Oui, je pense que la lettre aussi, c'est le président a usé son pouvoir que lui a offert la Constitution, notamment au niveau des dispositions pertinentes de l'article 87. Parce qu'article 87, le président de la République, après avoir recueilli l'avis du premier celui du président de l'Assemblée nationale, maintenant prononcer ou par décret à l'assemblée nationale. Je pense que tu niveau pas dafa nekk tu user pouvoir bi nga de constitution n'est-ce pas mu saisir ki nga xam ni moom mooy président assemblée nationale pour recevoir son avis xaw ma nag à quel moment la lay lay lay répondre mais ki nga xam ne moom mooy euh, le conseil constitutionnel en application de l'article moom tamit des dispositions de la constitution moom aussi saisir nañ ko ba mu jox avis ba wane ni le douze mën nañu euh, douze septembre mën nañu dissoudre li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy assemblée nationale mais jusqu'à présent nag moom saisiragul solennellement li nga xam ne moom mooy le premier ministre bul faut aussi dafa saisir ki nga est mom premier ministre par rapport à l'article 87. vingt bi est écrite peut être euh, d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques heures on va voir la lettre par laquelle le président de la République euh, va saisir le premier ministre. alors docteur loo tu ci surtout le président l'Assemblée nationale est ce que mon nañ ci japp né euh, probabilité la DPG bi et que bu ñégué le 12 président à l'Assemblée nationale. Oui, je pense à ce niveau, il faut distinguer deux choses. Parce que moi, je pense qu'avec euh, la lettre bi nga xamni le bind de ko assemblée président nationale dama ni euh, il est en train de préparer la dissolution euh, de l'Assemblée nationale en même temps nga fixé par décret en application de l'article 84, par priorité parce que nous lañu def priorité li nga xamni mom moy euh, fixé datu DPG bi le 13 donc damay gis ni à ce niveau dafa poser un acte politique parce que le président de la République est son premier aussi de ay politiciens la parti la donc il que nous poser un acte politique donc il y a un jeu politique entre le président de la république et le président de l'assemblée nationale bi nga xam fixerons la date du 11 en violation manifeste de l'article 84. Nous avons son pouvoir bi nga xam constitution nous fixé par priorité li nga xam ne donc il faut que gis ni mi ngi poser ñaari acte mi ngi poser acte pour respecter les mesures constitutionnelles mi nga saisir le président de l'Assemblée nationale saisir ni nga xam euh, conseil constitutionnel mais également il pose un acte politique de faire un jeu de ping pong de guerre entre membres la le président de l'Assemblée nationale pour faut faire distinction en tant que politique et en tant qu'analyste Donc, au donc ici, moi et wane ni euh, date le 13 bobu, c'est juste Bernard date bo xamné peut être mën na aussi DPG bi du am mais le fait que vous saisir le président de l'Assemblée nationale après avoir saisi le conseil constitutionnel bientôt vous saisir le le ministre de manière par la voie écrite dañuy gis ñu kon bientôt il va dissoudre l'Assemblée nationale. kon DPG mun na bañ Effectivement, parce que je pense que jusqu'à présent, le, 12, peut-être vers minuit, peut-être on va avoir là de, le, le euh, un décret euh, présidentiel pour circuler pour dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que vous le faites aussi d'après les allégations du Premier ministre de la fois dernière, on est également à partir du 12, des députés au niveau de l'Assemblée nationale. <laughs> Mais comme bientôt, le, 12, presque, euh, euh, euh le 13 aussi, nous avons des projet bi fixé nañ ko est-ce que diggante bi aussi dina ci recevoir l'avis du président de l'Assemblée nationale donté ko constitution bi joxuko ben délai ak est-ce que aussi diggante bi dina ci saisir ki nga xamni mom moy le premier ministre après avoir saisi le conseil constitutionnel bamu joxé joxe ba mu joxe ba mu joxe nga xamni mom moy mooy avec parce que actuellement def na premier ministre ken saisir ko président assemblée nationale également joxé wu réponse am je ne sais pas si euh, le silence durant le euh, de, nombre de jours, vos décisions de rejet ou bien avis favorable ou non favorable, mais en tout cas, la Constitution a posé le, principe. Est-ce que vous dites à Amadou Mamdioum attend lors de nos côtés l'Assemblée nationale? le problème de délai la constitution bi nga la constitution réglementé ou quoi? constitution réglementé ou dafa après avis euh, bu prononcé par décret bu après avis mën na prononcé wu par décret pour dissoudre assemblée nationale diggante bi nag xat na xaw ma nag ban délai la war am pour nga xam ni moom moom la war a la moom la war a la war répondre moom ki nga xam ni moom mooy moom le président de l'Assemblée nationale. mais en tout cas dafa war a am seen avis pour mun a est ce que du bu as bu conseil constitutionnel rek la soxla pour mun euh, poser acte boobu wala il lui faut impérativement les réponses du premier ministre et du président de l'Assemblée? Non, il, il, il c'est juste des formalités que pose le Conseil constitutionnel. C'est juste des formalités euh, administratives et formalités constitutionnelles, euh, n'est-ce pas euh, Parce que, mais, mais la Constitution, après avoir recueilli l'avis, que ça soit l'avis favorable ou défavorable pour recueillir l'avis, si vous mën dissoudre l'Assemblée assemblée nationale Les gens ñu xaar ba recueillir mm-hmm. parce que normalement il devait y avoir euh, par exemple un texte de la loi sur une loi organique pour préciser en tout cas euh, le délai le nombre de délais où le, le, le président de l'Assemblée nationale doit doit répondre par rapport par rapport à, à la lettre de, adressée par le, par le président de la République. mu nekkoon kon leeralu bëss bi tay ak docteur Mbaye Cissé ci bataxal bi président de la République bind njital assemblée nationale ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi ngir gën ñoo jappalé aimé leen te partagé vidéo bu leen faté itam abonné té wax ñu ci commentaire yi ni ngeen gisé li ñu leen di défal waaye itam lan ngeen di xaar leneen ci ñun. merci de suivre FTN Media. bienvenue dans cette nouvelle rubrique dénommée éclairage nous nous intéressons aujourd'hui à la lettre que le président Bassirou Diomaye Faye a écrit au président de l'Assemblée nationale pour recueillir son avis sur la dissolution du Parlement. Pour vous aider à mieux comprendre la démarche du chef de l'État, nous nous sommes entretenus avec Dr Mbaye Sissé, chercheur spécialiste en études de droit comparé. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire pour ne plus rien rater. Oui, effectivement, je pense que cette saisine, après avoir saisi le Conseil constitutionnel qui a donné son avis en allégant que le président de la République pourra, à partir du 12 septembre, dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, la lettre adressée au, président de l'Assemblée nationale, je pense que le président est en train d'user son pouvoir discrétionnel que lui offre l'article 87 de la Constitution. Parce que l'article 87 euh, précise que le président de la République après avoir requis l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale prononcé par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, il a saisi le Conseil constitutionnel qui a déjà donné son avis, il n'a pas encore requis l'avis du, de président de l'Assemblée, mais la Constitution également précise qu'il doit également requérir l'avis du Premier ministre. Actuellement, on n'a pas encore vu une lettre adressée en tout cas au Premier ministre pour recevoir l'avis avant de pouvoir euh, euh, dissoudre l'Assemblée nationale. Mais par rapport à la date du 13, je pense que également euh, la déclaration de politique générale risque de ne pas se tenir si le président de la République en tout cas, euh, Parce que les, les, les prémices, ça montre que le président de la République vers la dissolution de, l'Assemblée nationale. Parce qu'au moment où il a adressé, euh, il a fixé une date par décret, le, tenant le 13, euh, le 13 septembre, en même temps, avant le 13, il a saisi le président de, de l'Assemblée nationale pour recevoir son avis en application de l'article 87 de la Constitution. Je pense qu'ici, il est en train de poser deux actes, des actes politiques, mais des actes également constitutionnels, euh, des actes politiques notamment euh, le, fait de, de, le fait de fixer la date du 13 n'est-ce pas C'est un acte politique en même temps de, saisir le président de l'Assemblée nationale. Mais les actes constitutionnels également, le fait de saisir le, le, Conseil constitutionnel, mais en même temps aussi de, saisir le président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est en train de faire un ping-pong, un jeu, jeu politique, une guerre entre lui et, l'Assemblée nationale. Mais je pense que d'ici quelques, d'ici sous peu, on va recevoir en tout cas les, les résultats de ces, ces actes posés par le président de la République. On peut en déduire que c'est une probabilité que la DPG ne se tienne pas le 13. Oui, je pense que euh, à, à, à 80%, la, la, la, la, déclaration de politique générale euh, ne va pas se tenir. Parce que pourquoi Quelle est l'opportunité en tout cas de la lettre que le président de la République envoie bien avant, à quelques jours de, la tenue de, la déclaration de politique générale au monsieur le président de l'Assemblée nationale, je ne vois pas l'opportunité parce que la Constitution exige les trois saisines. D'abord la saisine de, du Conseil constitutionnel qui a déjà donné son avis, euh, favorable d'ailleurs, pour, pour euh, dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 12, mais en même temps, euh, bien avant, le, 13, il a saisi le, président de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'avec la troisième exigence, s'il saisit entre-temps, bien avant le 13, le premier ministre, le premier ministre pour recevoir son avis, comme le dispose l'article 96, je pense que euh, la déclaration de Président ne va pas se tenir et ce qui se pose, ce sera la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que aussi, docteur, le président est euh, obligé d'attendre la réponse du président de l'Assemblée pour procéder à la dissolution du Parlement oui, effectivement, parce que ici, la Constitution, elle est formelle. La Constitution dit que le président de la République, après avoir recueilli l'avis, après avoir recueilli l'avis, maintenant que ça soit l'avis est favorable ou défavorable, mais il s'agit de recevoir, d'avoir l'avis. Et l'administration, elle est écrite. Donc, il va falloir impérativement attendre la réponse euh, qui va émaner du président de l'Assemblée nationale pour poser d'autres actes vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà pour l'éclairage de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Pour nous soutenir davantage, merci d'aimer et de partager nos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous traitons et vos attentes. À très bientôt sur votre chaîne préférée.